le forum du studio le forum du forum auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du studio Kalangou, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 31 radios partenaires à travers le Niger, et ce du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. Ce soir, le thème principal autour duquel tourneront nos échanges durant trois quarts d'heure, c'est comprendre la sécurité sociale au Niger et plus précisément la gestion de la question de sécurité sociale par la Caisse autonome des retraites du Niger Kareni. Comment se déroule le processus de transfert de la gestion des pensions de retraite du Fonds national des retraites à la Caisse autonome des retraites du Niger Quels sont les les modalités d'admission à la retraite, quels sont les avantages liés à la retraite, quelles sont les conditions d'accès aux différentes pensions, comment se fait le suivi des dossiers des personnes retraitées, quelles sont les principales difficultés auxquelles font face les personnes admises à la retraite, comment contourner toutes ces difficultés. Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons invité dans ce studio Moutari Malam Idi, deuxième secrétaire général adjoint de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Bonsoir Moutari Malam. Et Moussa Sebou directeur général de la Caisse autonome des retraites du Niger, Kareni. Bonsoir, euh, Kassey. Bonsoir. Présentation à Alassane Kouzi Mahmoud. Bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons de sécurité sociale d'une manière générale et surtout de celle qui est assurée par la Caisse autonome des retraites du Niger, Kareni. Au Niger, le régime de la sécurité sociale pour les travailleurs du secteur formel est scindé en deux composantes indépendantes l'une de l'autre. D'un côté, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'adresse aux salariés du secteur privé formel, du parapublic et aux agents de l'État non fonctionnaire. De l'autre côté, l'on retrouve le Fonds national des retraites FNR où sont systématiquement affiliés les fonctionnaires salariés permanents de l'État. Une nouvelle réforme de ces de CFNR, Fonds national des retraites, a donné naissance à la Caisse autonome des retraites du Niger, Kareni, et c'est justement ce dernier point qui nous intéresse dans le forum de ce soir. Il convient de noter que le deux régime nigérien de sécurité sociale des travailleurs salariés comporte trois branches principales qui sont les prestations familiales, les accidents de travail ou maladies professionnelles et les pensions. Nous allons tenter d'avoir d'amples éclaircissements sur tous ces aspects et bien d'autres. Nous allons d'abord commencer par une présentation de la Carénie pour planter les décors. corps. Euh, nous commençons avec vous, M. Moussa c'est directeur général de la Carénie. Présentez-nous brièvement la Carénie, ses missions principales. La Carénie, c'est la Caisse autonome de retraite du Niger elle a été créée par euh, la loi 2012-69 du 31 décembre 2012 et avait pour mission principale la concession, la liquidation et le paiement des pensions de retraite, des pensions errantes, des retraites des fonctionnaires du Niger, militaires et civils bien sûr. Et la Carénie, pour pouvoir euh, atteindre ses objectifs, devait pouvoir faire face à un certain nombre de difficultés qui ont été constatées dans la gestion des pensions des fonctionnaires. Nous, allons peut-être nous allons revenir un peu plus en détail euh, dans les, les difficultés, que ce soit au niveau du processus, que ce soit au niveau même des personnes concernées. Vous parler juste des causes qui ont fait que justement le gouvernement nigérien a pensé à mettre en place la carène. Il e. e ne s'agissait pas juste de créer une institution en plus, mais il s'agissait vraiment de répondre à un besoin qui s'est exprimé, un besoin réel que les syndicalistes étaient les premiers d'ailleurs à faire percevoir au gouvernement. Et c'était quoi ce besoin Ce besoin, c'était que les retraités nigériens rencontraient d'énormes difficultés, non seulement pour accéder à leur dû, mais surtout que leurs conditions de traitement étaient vraiment très très difficile et il fallait quelque part y remédier, alléger les difficultés auxquelles ces retraités font face pour pouvoir constituer les dossiers, pour pouvoir accéder à leur pension. Bien. Vu la dénomination de votre service, la CARENI, la Caisse autonome des retraites euh, du Niger, est-ce que cela signifie qu'elle doit s'occuper uniquement que de la branche des pensions, à l'exclusion des, autres questions, la branche des prestations familiales et celle des accidents de travail et maladies professionnelles Bon, vous savez qu'il faut toujours commencer par quelque chose. Déjà, même cela, <laughs> c'est avec difficulté que nous essayons d'assumer ça. Mais il est prévu dans les textes que d'autres branches de sécurité sociale soient prises en charge. Mais on ne peut pas tout embrasser en même temps. C'est pour ça que nous commençons d'abord par le plus épineux. Le reste viendra par la suite. En attendant, le reste est géré par En attendant, le reste est géré d'une manière ou d'une autre par d'autres dispositifs qui sont au niveau du ministère de la Santé en ce qui concerne la prise en charge médicale. C'est à ce niveau que c'est géré. Mhm. En ce qui concerne euh, les allocations les aspects branches allocations familiales, accidents et autres sont gérés directement par le ministère des Finances. Nous revenons à vous, euh, Moutari Malam Idi, deuxième secrétaire général adjoint de la CDTN. La création de cette structure la carénie, une bonne nouvelle pour les fonctionnaires appelés à faire valoir leurs droits à la retraite Bien, merci. Euh, il faut reconnaître effectivement euh, la Caisse autonome des retraites a vu le jour, c'est vrai, en 2012, mais bien avant, a eu tout un jalonnement, puisque le premier protocole spécifiquement que la CDTN a signé, et Dieu merci, le ministre est là en face, il était ministre à l'époque, mm-hmm. dans le cadre de protocole qui a été signé en 2002 et qui effectivement le gouvernement accepté au regard donc de parterre d'informations que nous avons soumis à son appréciation lors des négociations par rapport aux difficultés que rencontrent les fonctionnaires de l'État à la retraite par rapport à cette gestion nous sommes dit que, au début, nous avons dit que c'est la transformation des FNR en carrefour. Bon, c'est par la suite que ça a pris la dénomination de Karini, effectivement, avec le protocole de 2012, euh, au regard donc déjà du protocole de la CDTN qui est parti au niveau de l'ITN le, 7 février 2012, donc, et qui a permis effectivement au niveau du gouvernement d'être convaincu de ce que nous avons pu souligner à son temps, pour qu'effectivement on puisse un peu sécuriser la retraite des fonctionnaires nigériens pour qu'ils se retrouvent avec des fonctions des, des, retraites un peu décentes, si on peut m'exprimer ainsi, puisqu'il faut avoir une retraite qui va vous permettre de survivre après la retraite. On ne crée pas des cas sociaux, mais il va falloir que ces retraités-là, les personnes de troisième âge, puissent être dans des conditions de vie plus agréables. Donc en réalité, c'était ça l'objectif de, de, la création qui a abouti à la Carénie. Et je pense qu'il faut s'en féliciter pour un début et en attendant à ce que les choses soient améliorées avec le temps. Donc c'est euh, en, réalité c'est la création, la, la, la, la, venue au monde de, cette structure. C'est vraiment une des revendications des, structures syndicales. Tout à fait, c'est les revendications des centrales syndicales. D'ailleurs, c'est une revendication puisque les mm-hmm. centrales syndicales amènent le problème. Mm-hmm. Même si le gouvernement est conscient effectivement de ce que nous avons fait, c'est par la raison pour laquelle lui-même l'a accepté, euh, ce que qu'on puisse ensemble, puisque ce sont eux-mêmes qu'ils soient ministres ou autres, dans tous les cas, un jour il va être à la retraite mais il faut qu'il parte avec une retraite descendre avec un salaire. Mmh. Mais étant donné que ce qui se passe aujourd'hui, eh, il est à revoir, c'est vrai. Même si par ailleurs la Carini n'est pas dans sa plénitude de ses fonctions, mais il est important à ce que, nous puissions l'accompagner en tant que centrale syndicale, en tant que mouvement syndical, pour qu'effectivement le gouvernement puisse accepter de lui donner les moyens nécessaires par rapport à ça. Je pense qu'il y a un début de solution, je pense qu'il va y arriver. Et, juste un rappel, qu'est-ce qu'on reprochait avant au, FNR, le Fonds national des retraites, qui gérait à l'époque les questions de, retraite voilà, le FNR est toujours géré par le ministère des Finances. Mais il faut dire que ce FNR-là, c'est quoi Vous savez, les textes ont prévu un taux de cotisation, par exemple, de 20%, de 6% à la charge du fonctionnaire et 14% à la charge de l'État. Mais il faut quand même qu'il y ait une caisse pour que ces fonds-là soient versés. Mais étant donné que c'est toujours les finances, c'est toujours les trésors qui gèrent cela, voilà, donc ça veut dire que tout simplement, a pas, ces fonds ne, sortent pas de, de, la caisse de l'État. Que ce soit les 14%, que ce soit les 6% qu'on prélève sur les salaires des fonctionnaires. Donc rien ne sort. Mhm. Donc il faut nécessairement créer cette caisse autonome pour qu'effectivement qu'il y ait un compte qui va permettre de, recevoir ces fonds hein. et de faire sa propre politique en tant qu'institution de sécurité sociale. En réalité, c'est de cela qu'il s'agit, sans compter entre autres la question de la souffrance que font les travailleurs. Hein. Vous partez à la retraite, peut-être pour avoir le livret, il faut un mois, deux mois, trois mois, peut-être même au-delà. Le livret de, les livrets de retraite, bon, qui par exemple, si nécessairement eh, eh, la carénie va être dans sa plénitude, peut-être un jour, même le carnet disparaîtra et ça va juste être une carte. Voilà, et puis ça va permettre tout simplement, puisque le carnet, vous le perdez il faut demander, quelqu'un peut prendre peut-être. Bon, il y a tellement de problèmes, effectivement, que nous avons soulignés à son temps et je pense qu'ils persistent encore. Mais je pense que déjà, il faut s'en féliciter pour que les choses puissent marcher. Bien. Monsieur le directeur général euh, Moussa Seibou Kassé, euh, comment se déroule le processus de transfert de la gestion des pensions de retraite des retraités du Fonds national des retraites à, la caisse euh, autonome La Carini Bien, c'est à cela que nous nous attelons depuis notre nomination et en juillet 2014, puisque... Deux ans après la création. Deux ans après la création, nous-mêmes nous avons pris fonction euh, en ce moment précis, avec toutes les difficultés d'installation, mais malgré tout, aujourd'hui nous sommes bien installés. Nous avons tenté effectivement de récupérer ce que la loi et le décret portant adoption des statuts nous lèguent comme attribution il se trouve que ces attributions sont jusque-là exercées par le ministère des Finances, notamment eh, la gestion administrative des pensions, c'est-à-dire eh, la question de la réception depuis le dossier de pension, le fait de concéder la pension, le fait de la liquider et le fait de la payer tout cela est toujours encore à ce jour géré par le ministère des Finances. C'est géré par le ministère des Finances. C'était géré depuis 61 par le ministère des Finances à travers le Fonds national de retraite. Donc il fallait tout un processus pour récupérer toutes ces attributions du ministère des Finances à, à la Carénie. Et avec le temps, nous sommes parvenus aujourd'hui au stade où la fonction publique qui a une partie du traitement de la gestion administrative nous a déjà légué ces attributions, ce que nous exerçons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le dossier de retraite est déposé à la Carénie. C'est la Carénie qui traite d'abord avant d'envoyer au ministère des Finances à travers euh, ce qu'on appelle le service des prestations de pension, qui est situé à la COPRO, pour, pour tous les retraités, ils parce que c'est là-bas qu'on élabore le carnet. Et là-bas, ils continuent le processus pour faire euh, la concession, la liquidation, et après on envoie au service de paiement, qui est l'ancien BDR Nouveau Marché, mhm. pour que on puisse accéder au paiement. Maintenant, il se, trouve que le reste du processus, en dehors donc de ce que fait la Carénie, qui a été rétrocédé par la fonction publique, mhm. est toujours exercé par le ministère des Finances. Mais nous sommes presque au bout au moins pour pouvoir transférer une partie, dans le sens où, récemment, en tout cas dans un échange euh, avec le ministère des Finances, nous sommes parvenus à la conclusion que à partir de 2018, jusqu'à la confection du carnet, sera à la, de la responsabilité de la carnée. Nous préparons les conditions de ce transfert, parce que vous savez bien, <laughs> le transfert suppose aussi que le personnel, on puisse savoir comment le ramener dans quelles conditions il faut le ramener de l'autre côté. Mhm. Vous savez aussi que eh, les agents du ministère des Finances sont dans des conditions spécifiques. Il va falloir créer les conditions presque identiques pour que, en tout cas, ce transfert puisse se faire sans douleur, pour ne pas dire, mhm. en tout cas, sans grand dommage. Mhm. Au-delà de ça, il va falloir aussi que on s'assure que le travail tel qu'il est, il est en train d'être fait sera réellement fait comme ça se devait là où ça devrait être. Donc il faut définir les conditions spécifiques dans lesquelles ce transfert doit s'opérer et nous les avons déjà fait. Nous comptons incessamment les mettre à la disposition des autorités pour qu'elles puissent prendre la décision conséquente. Pour le reste, qui est le plus, un des plus aspects, un des aspects les plus importants, qui est le paiement, mhm. nous attendons la relecture des textes parce que il se trouve que le Fonds national de retraite, justement, dont parlait Moutari tout à l'heure, mhm. qui est en réalité la cagnotte dans laquelle, en fait, euh, toutes les cotisations des fonctionnaires, et, la part patronale de l'État devrait mhm. devraient se retrouver. Ce fonds est toujours logé au Trésor et ce fonds est toujours, si vous voulez, sous la responsabilité du ministre des Finances. Mhm. Et c'est à travers ce fonds qu'on paye les pensions. Donc, euh, cette dimension on nous dit d'attendre, de réviser les textes. Et que euh, les textes nous donnent la possibilité justement de gérer ce fonds-là. Et nous sommes en train de faire la relecture à l'heure actuelle. Voilà un peu euh, ce que je peux dire rapidement euh, sur ce transfert qui est un peu, qui est apparu de plus en plus un peu difficile, puisque quand même ça nous fait de 2014 à aujourd'hui que nous sommes en train de parler et de lutter pour ce transfert-là. Bon, Trois euh, mieux vaut tard que jamais on est en train de voir le bout du tunnel. Mm. On n'est pas encore arrivé, mais nous espérons que cette fois-ci, le bout ne va pas nous mm. échapper. Mm. Bien. Moutare, Moutare est-ce que de l'autre côté, les, personnes qui sont appelées à aller à la retraite ou celles qui sont déjà à la retraite, est-ce que, comment tous ces gens s'y portent, donc cette transition, si on peut l'appeler ainsi Bien, en réalité, euh, comme il l'a souligné, le problème qui se pose, c'est surtout la question de paiement aujourd'hui pour ceux qui sont déjà à la retraite. Puisque je pense que l'essentiel, c'est quoi Aujourd'hui, l'État a des difficultés à payer régulièrement cette, ces pensions-là. Parce que normalement, à partir de, par exemple, la pension, la pension du premier trimestre, à partir du 1er avril, en tout cas, chaque pensionné le 1er avril doit avoir dit dans son compte ou être payé au guichet, voir sa pension, mais ou faire un calendrier qui risque de faire deux mois, n'est <laughs> pas évident que ça puisse être payé régulièrement. Donc vraiment ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect aussi, c'est la question de la liquidation. Parce que euh, pour que le service de pension, d'abord déjà quand vous partez à la retraite, trois mois à l'avance, le ministère de la fonction publique à l'époque vous envoie une correspondance avec toute la liste des pièces qu'il faut fournir. Vous les faites, vous les déposez, vous êtes déjà en congé, euh, congé libéral. Voilà, par exemple, vous pouvez, par exemple, voilà, partir en 2018, déjà à partir du 1er octobre, vous avez déjà depuis le 1er juin du mois, le 1er juillet, vous avez déjà reçu la correspondance qui vous, qui vous rappelle de faire votre dossier, les déposer. En principe, ce temps-là devrait être mis à profit pour que jusqu'au niveau du service pension, le 1er janvier, quand vous partez à la retraite, à la fin du mois, vous devrez avoir votre livret. Hmm. Mais il se trouve que c'est des difficultés aujourd'hui. Vous risquez d'attendre deux mois, trois mois, voire pour certains jusqu'à six mois. Or, tout ça, c'est des difficultés au niveau de la justice, puisque tout est manuel. On ne peut pas travailler à, ce temps aujourd'hui, au 21e siècle que nous sommes en train de faire le travail de 1961 date de la création de FNR. pour dire que tout le temps, c'est avec des décalques qu'on va faire les choses, etc. Faire les circuits administratifs, un peu peu, un peu se perdre. Se perdre. Or, dès que vous déposez un dossier, normalement, si c'est informatisé, souvent. si c'est informatisé, si vous déposez votre dossier au guichet sur place, on enregistre tout ce que vous avez comme pièce, si tout est bon. on vous donne un reçu comme quoi vous avez déposé votre dossier et ça vous permet de vous le suivre. Et maintenant, le processus va suivre parce que c'est informatisé, mais ce n'est pas fait. Malheureusement, c'est encore manuel. Donc tout cela, c'est des difficultés. Or, je pense qu'aujourd'hui, eh, il est important à ce que les agents qui s'occupent de cette liquidation-là aient la formation qu'il faut pour qu'effectivement le système informatique rentre dans la gestion, Des, FNR. Sinon, ici de l'autre côté, eh, le, DG Lacaré l'a dit, mais il faut motiver ce personnel pour qu'il soit réversé. C'est quoi Ils leur faut un statut du mmh. personnel. Un, statut, un, bon statut mmh. qui dépasse un peu celui dans lequel ils étaient. Ils étaient puisque les quelques, vous savez, au niveau des finances, hein, à la fin du mois, ils ont leur affaire de 0,5 ou 0,6. Mhm. Donc, même eux, ils en ont quelque chose. Mhm. Donc, tout cela, il faut quantifier, voir qu'est-ce qu'ils gagnent. Et maintenant, améliorer leurs conditions de vie, améliorer leurs conditions de paiement des salaires. Mhm. Et je vous assure qu'ils vont, ils vont bousculer pour revenir à la Carimie. Mais tant qu'on ne fait pas tous ces processus-là, il est difficile effectivement à ceux qui se laissent, comme dit, de, ceux qui sont en train de faire aujourd'hui pour rester comme ça transférer l'activité dans, à la Carini, et puis parce ne vont pas aller là-bas, parce que c'est un Il y a cet aspect de recyclage un peu. Voilà, de, tout ça, c'est. Voilà. Maintenant, quand il y aura un statut de personnel, par exemple, qui va être adopté, l'État va l'accepter avec toutes ces conditions alléchantes de revenir à la Carini par les fonctionnaires de l'État, ils vont demander leur détachement pour qu'ils se retrouvent là-bas. Mm. Et non rester encore à FNR, bon, peut-être faire des choses encore toujours manuelles, et qu'à chaque fois, ça fait perdre énormément de sous à l'État. Parce que c'est à dire que, à dire que vous sentez un peu souvent de la réticence de la part de beaucoup d'agents du ministère des Finances de pouvoir suivre ce, mouvement vers exactement, la Exactement, c'est tout à fait normal parce que le travail, il est là, il, faut qu'il gagne quelque chose pour survivre. Mm. Maintenant, si son salaire ne suffit pas, s'il va aller à la Carine, il sait que s'il part là-bas, là s'il part là bas si peut-être il gagne à la fin de tous les mois, c'est 0,5 ou 0,6, 30 000, 60 000, 80 000 francs tous les euh, mois, en plus de son salaire. Vous voyez, mais je préfère rester là où je suis, même si on va récupérer l'activité, l'amener ailleurs. Donc il faut les motiver pour qu'ils viennent faire ce même travail. Et le même travail qui va être fait au niveau de la carrière, probablement, doit prendre des dispositions pour, pour le mettre, pour informatiser. Parce que tant qu'on informatise l'une de vos attentes également. Ça, c'est clair. Tant qu'on n'informatisera pas la gestion des pensions au Niger, les retraités vont toujours avoir des problèmes. Vous allez déposer un dossier, le vont va perdre. Vous risquez de reprendre encore un autre dossier. Donc chaque fois, il faut faire deux ou trois copies de son dossier et les garder en attendant d'avoir le, livret. Voilà. nous allons passer à la seconde partie de cette émission concernant les procédures même d'accès aux pensions de retraite. Euh, oui, allez-y, euh, Moussa oui, oui. Avant ça, j'ai voulu insister, comme euh, il a commencé, vraiment sur les réelles difficultés que rencontrent les retraités aujourd'hui euh, dans la forme actuelle de gestion des pensions. En réalité, les difficultés sont liées à l'unité de caisse, comme il l'a dit. Le fait que tout est dans la même caisse au trésor, et quand on dit unité de caisse, ça veut dire que tout rentre et tout sort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dépenses affectées au préalable. C'est la dépense qui vient qu'il faut faire. Euh, Et c'est au moment où la pension arrive qu'il faut penser à la payer. Et si en ce moment il n'y a rien dans la caisse, il faut attendre. Et cela fait que nous avons des difficultés de paiement de temps à autre. Il y a cette absence de, gestion programmée. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a pensé que la mise en place d'une caisse autonome pourrait permettre de mobiliser les ressources destinées à la retraite et pouvoir faire le paiement. Ça, c'est un aspect. Mhm. Deuxième aspect important des difficultés qui motive la création de la carrière au-delà de la demande des syndicats, c'est le fait que aujourd'hui, contrairement par exemple au Burkina où vous déposez votre dossier de retraite le matin à 8h, à 15h, vous avez votre chèque de paiement. Au Niger, même pour le carnet, ça va de 1 à 6 mois pour avoir le carnet. Donc pendant toute cette période, vous êtes laissé à vous-même. C'est-à-dire si dans le grenier, il n'y a rien, vous risquez même de vous retrouver dans la rue parce que vous savez, les propriétaires de maisons, là, ils n'attendent pas machin. Ce qui veut dire que là aussi, il y a un effort à faire pour réduire les délais et faire de façon à ce que les retraités puissent accéder à l'ordre le plus rapidement possible. Troisième dimension, si vous le ah permettez, c'est le caractère rudimentaire aujourd'hui des instruments de travail. Comme il l'a dit, on continue à travailler avec des calques. Vous savez, des calques, c'est déposer, puis écrire, pour multiplier pendant qu'il y a la photocopieuse, pendant qu'il y a l'électronique. Ah il y a euh, l'informatisation de manière générale. Ah il y a l'automatisation. Uh-huh. Donc là aussi, il y a un effort à faire pour que les choses avancent. Quatrième dimension, c'est la vétusté des textes. Nous venons de vous dire que les textes datent de 61. C'est vrai, il y a eu deux modifications en cours de chemin, mais ce sont juste des retouches. Mais le texte fondamental date de 1961. Et ce faisant, vous avez aujourd'hui beaucoup de dimensions de la retraite qu'on ne peut pas changer, puisque le texte dit voilà comment ça doit se faire. Hmm. Donc tu ne peux pas faire autrement. Et si tu calcules, tu tombes sur 6 000, tu ne peux pas le changer. Il faut nécessairement revoir ces textes-là et revoir par conséquent les niveaux même de traitement, euh, qu'on sert aux gens. Regardez aujourd'hui, même un ancien Premier ministre, s'il va à la retraite, six mois après, quand vous regardez son col, vous allez voir que son boubou a blanchi par le col. <laughs> Autrement dit, les revenus actuels ne permettent pas au travail, aux travailleurs vraiment de vivre, de vivre décemment et de déposer pour demain. C'est pourquoi vraiment le retraité mérite qu'on crée des conditions qui puissent lui permettre de mieux s'épanouir. Et vous vous engagez pour ça Nous nous engageons pour ça parce que nous sommes aujourd'hui en train de préparer une automatisation justement de ces processus-là. Et il y a un autre aspect aussi, il y a cet aspect de mensualisation. Voilà. Euh, des, cette mensualisation, elle est toujours là aujourd'hui, elle est d'actualité pour la simple raison que dans tous les pays de l'UMOA, tout le monde est à la mensualisation sauf le Niger. Dans tous les pays de l'UMOA, tout le les monde retraités paye, sont payés, chaque fin du mois. Chaque fin du mois et la bancarisation a atteint un tel niveau, comme il l'a dit, que à la fin du mois, vous n'avez pas besoin d'aller lutter. On vous vire votre pension dans votre compte. Je pense que faut que nous créions les conditions pour que ce rêve soit une réalité aussi chez nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est un rêve. Puisque nous payons par c'est comme il l'a dit, par programmation. Il va falloir qu'on dépasse cela et que en tout cas, c'est la condition pour améliorer les conditions de vie des retraités. Voilà les dimensions que je voulais ajouter pour compléter un ce que vous voulez dire. Merci. Nous je voudrais euh, qu'on aborde un peu de façon détaillée les modalités. Quelles sont les modalités d'admission à la retraite Bon, les modalités d'admission à la retraite. Euh, y a la retraite d'office et la, retraite sur demande. Oui, mais il y a la retraite surtout pour limite d'âge la retraite pour limite d'âge aujourd'hui au Niger, c'est 60 ans, en tout cas pour les fonctionnaires. C'est pas Moutari pour les privés si vous, avez dépassé cela. Euh, c'est à 60 ans, mais dès 55 ans, vous pouvez prendre la retraite anticipée. Là, c'est à votre demande. Vous demandez à partir parce que, bon, entre temps, vous pensez pouvoir faire autre chose. Ou d'autres pensent qu'ils peuvent, ils peuvent fatiguer, ils peuvent aller se reposer. Tout cela, ce sont des modalités qui sont permises. La retraite d'office, là, c'est une sanction. Ou à moins que ce soit une retraite qui a été conditionnée par une maladie ou quelque chose comme ça. Mais sinon, la retraite d'office, c'est supposé être qu'on te dit, bon, vraiment, on te remercie. Il faut aller, mais bon, peut-être moins grave que qu'on dise même que tu n'as même pas droit à La pension. Quels sont les avantages qui sont liés donc justement à la retraite Bon, est-ce que en fait, euh, les avantages, euh, le retraité, il est quand même fonctionnaire, dans la mesure où il a droit à la pension, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que le fonctionnaire, c'est-à-dire une prise en charge à 80%. Donc, euh, je crois en dehors de ça, les fonctionnaires n'ont pas d'autres avantages particuliers à ma connaissance. Euh, euh, vous voyez, ils ont droit aux allocations familiales aussi. Est-ce que la pension, euh, elle varie selon qu'on est, qu'on est admis à la retraite pour limite d'âge ou sur demande Oui, la différence, comme partout, c'est lié d'abord à ton niveau de revenu. Mais la différence entre les deux que vous voulez, euh, que vous venez de citer, à savoir cette demande ou pour limite d'âge, c'est que l'accès à la retraite est conditionné par au moins d'atteindre l'âge légal attendu. C'est-à-dire si vous allez à 55 ans, la jouissance est conditionnée au fait que au moins vous atteignez l'âge légal, la limite d'âge légal, qui est de 60 60 ans en ce moment, vous pouvez commencer à jouir de votre retraite. Alors que quand vous partez pour 60 ans, c'est immédiat. C'est immédiatement que vous jouissez de votre retraite. Est-ce que là-bas, euh, cet aspect d'avoir cotisé pendant au moins 15 ans euh, est obligatoire C'est obligatoire. Quand vous avez même 14 ans et demi, vous n'avez pas le droit. Peut-être 14 ans plus 6 euh, mois et plus 7 mois. Là, effectivement, le comité de grâce euh, peut euh, examiner votre dossier pour voir si on peut vous concéder vous compléter les cotisations des trois ou quatre mois restants et puisque que vous puissiez accéder à la pension. Sinon, on vous rembourse ce que vous avez donné comme cotisation. C'est Je ne sais pas si à la CNSS c'est différent. Mhm. Quand vous allez à la retraite, vous vous demandez à aller à la retraite et que vous n'avez pas 15 ans de cotisation, de cotisation vous n'avez pas droit à la pension. Là, en fait, vous quittez la fonction et on vous rembourse ce que vous avez déjà cotisé. Et le remboursement est possible Ah, le remboursement est possible. Partout, on rembourse. de toutes hum. ces années de, de, cotisation De toutes ces années de cotisation. C'est pour ça que je vous ai parlé de 14 mois et demi. Avec une procédure spéciale, j'imagine Non. En fait, tout le monde a droit. Tout le monde a droit. Dès que vous n'avez pas droit à la pension, automatiquement vous êtes remboursé, puisque c'est votre dû. Mais vous, vous êtes remboursé ce qu'on vous a coupé, c'est-à-dire les 6%, pas, y compris la part patronale, ce que l'État a cotisé pour toi. Ah, ah oui. Ah Parce que pour le, cas de la fonction publique, vous avez parlé de 20%, dont 6%. Pour le travail. le travail, 14%. Hmm. Donc on calcule les 6% et non euh, les 20%. Ah je crois que c'est la même <laughs> chose pour la CNSS aussi. Montari Malamidi, vous, avez, vous avez une idée au niveau de la Caisse nationale de sécurité C'est aussi pareil Non, ce n'est pas la même chose. Au cas, par exemple, ceux qui n'ont pas les 180 mois d'assurance, c'est-à-dire les 15 ans, et maintenant, on a, à la Caisse, c'est un versement unique qu'on leur fait. C'est-à-dire, on calcule votre salaire mensuel moyen et on multiplie par le nombre d'années de travail. Si vous avez travaillé 12 ans, 14 ans, on vous calcule votre salaire mensuel moyen. Si le de 5 000, on le multiplie par 14, ça fait 1 on vous verse et c'est le dossier écolo. Et fini. voilà. Maintenant, le remboursement des cotisations, généralement, bon, nous, c'est une situation pratiquement au niveau du système de sécurité sociale. En réalité, les textes euh, en principe, les textes n'ont même pas dit concrètement cela Mais c'est qui est évident, une pratique qui se fait. Hmm. Mais à l'époque, lorsque vous, lorsque vous travaillez en tant qu'auxiliaire, par exemple, et vous êtes intégré dans la cadre de la fonction publique, en principe, c'est des états qu'on devrait faire et remettre au FNR. Mais maintenant, on, fait rembourser la caisse, vos cotisations personnelles que vous devrez aller régulariser au niveau des FNR, au niveau de la Carini, ah, puisque ah, le, taux, le taux de parlement au niveau de la sécurité, c'est 5,25. Or, au niveau des FNR, c'est 6%. Maintenant, vous devrez compléter les euros 75. Mm-hmm. Donc, ou bien tout simplement, euh, au moment où vous partez à la retraite en tant que fonctionnaire, on vous, donne, on vous demande l'état de services auxiliaires que vous avez fait de les valider. Mm-hmm. Donc, il va falloir valider cela. Maintenant, on vous rembourse à la caisse, vous revenez pour valider ces services-là au niveau des FNR. Et on considère comme si vous étiez fonctionnaire depuis son temps. Mais le problème qui se pose au niveau de, sur tout ça, c'est le problème même du prélèvement. C'est ça que nous, nous, mouvement syndical, nous avons dit que ce qui se passe pour les fonctionnaires ne l'arrange pas. On vous prélève votre 6% euh, sur le salaire indiciaire. Mmh. Le salaire indiciaire. Par exemple, si vous êtes, vous, si à la catégorie B, mais votre salaire ne dépasse pas peut-être 80 000. Mais c'est sur cette base même si vous, quelles que soient les indemnités que vous allez avoir, quels que soient les autres accessoires de salaire, ne sont pas pris en compte. En compte, vous pouvez avoir 200 000, 300 000 francs de salaire, mais on vous prélève à moins de 100 000. Et quand vous allez partir à la retraite, c'est sur la base du salaire qui vous a été prélevé, c'est sur ça qu'on va vous calculer votre pension. Hmm. C'est ça. Contrairement au système de sécurité sociale où c'est le salaire brut, à l'exception de certaines indemnités. Hmm vous allez voir, Dieu merci, aujourd'hui, les, retraités de la CNSS et ceux de, FNR sont ceux de la CNSS sont en train de dépasser un peu les autres, Parce qu'aujourd'hui, au niveau du système de sécurité sociale, nous avons ceux qui gagnent presque 900 000 francs de pension par trimestre, même si par ailleurs, on peut retrouver la même chose au FNR, mais avec le temps. Ça va, ça va changer. Est-ce que de ce côté, est-ce que c'est une lutte que les, structures syndicales sont en train de mener pour que le droit soit égal au niveau pour les, pour les, deux Bon, c'est peut-être des régimes différents, mais au niveau chez les fonctionnaires quand même, nous sommes dit qu'il va falloir qu'on sensibilise ces fonctionnaires de l'État pour que, effectivement, au niveau du gouvernement, l'acceptent de déplafonner ou bien de faire un plafond en ce qui concerne les cotisations FNR. Mhm. Il faut qu'on arrive à le plafonner. C'est comme la pension. Tout à l'heure, on disait qu'il y a 6 000 francs. C'est parce qu'il faut avoir une, sorte de pension minima légale qu'on doit mettre dans les textes. Et ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Donc il faut trouver un, minimum, même si vous n'avez pas. oui, voilà, quelque chose comme ça. Même si, même si vous avez 15 ans, mais vous ne pouvez pas avoir un minimum. Au niveau du système de sécurité sociale, c'est comme ça. Le salaire, la pension ne peut en aucun cas être inférieur à 60% du SMIC. Le 60% du SMIC, aujourd'hui, le SMIC, est à 30 000 euros Donc, ça va faire la plus petite pension par trimestre, c'est 54 300. Donc, on ne peut pas payer quelqu'un en dessous de ce montant. Puisque si on vous calcule sur le SMIC, par exemple, la base du SMIC, 30 000 francs, et si c'était uniquement sur cette base qu'on vous a cotisé au niveau du système de sécurité sociale, on ne peut même pas avoir 17 000 francs par trimestre. Mais eh. on a ramené ça à 54 300. Ça, c'est au niveau de la caisse, mais Il faut que dans le cadre de refonte des textes, c'est vrai, nous avons des membres qui sont là-bas, mais nous avons fait des propositions, en tout cas, pour que effectivement tout cela rentre là-dedans. Puisqu'il faut avoir une pension minimale dans un pays. On ne euh, peut pas laisser le champ libre avoir juste pour vraiment relever le système de vie de ces pensions. Moussa Sebou Kassé, directeur général de la Carène, justement, vous avez dit qu'il y a D'ample, il y a énormément de difficultés que rencontrent les, les, retraités et que justement c'était pour vous c'est pouvoir remédier à un certain nombre de, ces difficultés. Mmh. Donc cette question de pouvoir avoir, vous avez parlé aussi de relecture des textes. Euh, est-ce que cet aspect aussi est l'une des préoccupations Relire les textes, fixer au moins un minimum de pension, mmh. euh, un minimum. Euh, pour les pensions. Mhm. Comme il l'a dit, la mhm. pension dépend du niveau du salaire. Vous savez bien que le niveau du salaire, par exemple, diffère entre la fonction publique elle-même, le parapublic, mhm. les organisations eh, eh, internationales, pour ne pas dire sous-régionales. Donc, ça fait que, bon, vous avez une différence réelle de niveau de pension. Mais, comme il l'a dit quelque part, vraiment, il serait intéressant de penser à une pension minimale parce qu'on sait que tout le monde, en tout cas, consomme sur le même marché. Mhm. Donc tout le monde supporte le même coût de la vie. Mhm. Donc cela veut dire que tout le monde doit avoir un minimum, surtout en matière de sécurité sociale. On a vu ailleurs que réellement, même des gens qui ne travaillent pas, on leur donne de quoi s'insérer dans la société. a plus forte raison, des gens qui ont travaillé, on ne peut pas les jeter comme ça. Mais pour revenir de manière globale en ce qui concerne les réformes, vraiment les syndicalistes, c'est vrai, ils vont informer, mais ils vont enfoncer une porte déjà ouverte. Euh, quand ils posent la question de il faut déplafonner les cotisations, il faut penser à une pension minimale, etc., mhm. etc. Toutes ces questions aujourd'hui sont en débat à travers la relecture. Parce que pour nous, il faut véritablement une véritable réforme des retraites au Niger. Et cette réforme des retraites au Niger suppose qu'un certain nombre de paramètres soient revus. Ces paramètres concernent justement le niveau de cotisation. Il est très bas au Niger, contrairement à ce qu'il dit. Si à la caisse c'est 5,25, ailleurs déjà, un peu partout, les gens sont à 8%, sinon plus pour les travailleurs. Et même 20% pour l'État, pour permettre d'avoir assez de ressources pour pouvoir payer. Mm. Donc la question du niveau de cotisation, du niveau de prélèvement sur les revenus est un des paramètres qui doit être revu. Deuxième paramètre à revoir, c'est l'assiette des cotisations. Comme il l'a dit, au lieu de prendre le salaire indiciaire comme on le prend chez les fonctionnaires, on prend le salaire brut. Mm-hmm peut-être qu'il faut enlever euh, certaines indemnités euh, telles que les allocations familiales et autres, mais ça permettra d'avoir une masse à partir de laquelle on applique un pourcentage. Et plus la masse est grande, plus le pourcentage qu'on reçoit est plus grand et ça permet d'améliorer la viabilité de la caisse. Ça aussi, c'est un paramètre qui doit être revu. L'âge légal de départ à la retraite ailleurs, les gens l'ont revu. L'UMOA préconise que l'âge de la retraite revienne à 65 ans dans nos pays. C'est une réforme qui est attendue. Même si au Niger, aujourd'hui, les gens hésitent à l'opposer. Nous, nous n'hésiterons pas à l'opposer, même si on n'atteint pas 65, parce que quand vous regardez aujourd'hui la fonction publique nigérienne, le nombre de gens qui vont à la retraite aujourd'hui, c'est l'essentiel de la crème de la fonction publique. vous savez que de la conférence nationale à aujourd'hui, il a fallu la renaissance pour qu'il y ait un recrutement massif. Moi, je le, sais mieux que quiconque parce que j'ai été ministre de la fonction publique et je sais que pendant mes trois ans et demi que j'ai passé là-bas, je n'ai pas recruté plus de 1000 personnes. Hmm. Et quand vous prenez la conférence à 2011-2012, vous voyez bien qu'il y a eu toute une période où il n'y a presque pas eu de recrutement, hmm. où le recrutement qui a eu lieu est marginal. Hmm. Et cela fait que la fonction publique s'est nourrie de contractuels, s'est nourrie de civicards, s'est nourrie en tout cas de, stagiaires permanents qui sont toujours là. Et aujourd'hui, les rares que Kuntia a pu mettre en place, parce que c'est Kuntia qui a aussi fait le recrutement massif, aujourd'hui ce sont ceux-là qui s'en vont. Que deviendra notre fonction publique sans ces gens-là Ça, c'est une dimension. Deuxième dimension, si vous le permettez, c'est e e. qu'il faut bien que les caisses vivent et les caisses vivent avec ces gens qui peuvent mieux cotiser. Et plus tu es ancien, plus ton salaire est consistant, plus son pourcentage est plus consistant toutes ces problématiques aujourd'hui. Parce que les personnes retraitées sont payées sur la base de ceux qui cotisent, ils sont actifs qui cotisent. Doivent être revus. Donc, il y a la question du niveau de, de la pension qui doit être revue, comme il l'a dit, même si le niveau de cotisation ne permet pas aujourd'hui, il faut penser dans le cadre de la politique sociale de l'État, il faut penser à une pension minimale qui tienne compte du coût de la vie. Il y a beaucoup de chantiers vraiment qui nécessitent aujourd'hui à travers des actions concertées euh, Des actions concertées, puisque c'est par exemple la relative, elle est faite avec mhm. tous les partenaires mhm. sociaux. Mhm. Donc euh, vraiment, et je pense que c'est l'occasion pour le Niger vraiment de pouvoir rectifier. quelque chose qui fait trop de mal. Trop de mal. Monsieur le DG, je voudrais vous poser cette question. Mhm. Euh, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes qui partent justement à la retraite chaque année Bon, ça c'est difficile de l'avoir, mais on peut vous donner une idée du nombre de retraités. Mhm. Cette année, ils ont été évalués à peu près à 19 222 euh, retraités fonctionnaires. 2017. 2017. L'année dernière, ils étaient plus nombreux, 22 000 et quelques. Ça veut dire que le taux de mortalité dans leur rang est très grand, mhm. puisque quand tu ne manges pas suffisamment, il faut attendre à ce que vraiment les gens partent plus, euh, vite. <laughs> Alors que bon, c'est pas ça notre <laughs> souhait. Notre souhait est vraiment que les gens vivent plus longtemps. Moutari Malamidi, euh, pour finir, de façon résumée, quelles sont les principales difficultés euh, que vivent les personnes admises à la retraite et auxquelles il faut répondre immédiatement. Auquel la Carénie, justement, la Carénie et encore le ministère des Finances qui détient encore un certain nombre de, prérogatives doivent s'attaquer euh, urgentement Bien, vous savez, effectivement, les difficultés, c'est, en tout cas, on en a relevé dès le début de ce débat, puisque c'est, le paiement régulier, puisque au moins quand vous, vous allez venir toucher votre pension, que vous la trouvez. Qu'on ne dit pas, donc, euh, le jour de votre rendez-vous, vous venez, on dit que non, ce n'est pas bon, il faut revenir, on n'a pas suffisamment d'argent ou l'argent que le Trésor a donné est fini. Donc, il, faut, il faut nécessairement, puisque ça, c'est la moindre des choses. Quand quelqu'un part à la retraite, il faut tout faire, il faut trouver les moyens. Quand il va être programmé, quand il vient, il touche sa pension, honnêtement. Parce que vraiment, c'est un casse-tête aujourd'hui bah, par rapport donc, à cette situation. Des gens qui quittent des, contrées, de certaines contrées, pour venir à Niamey et toucher leur pension, en dehors de ceux qui sont en banque, là, je vous assure que c'est un problème. Mais de l'autre côté, il faut, il faut souligner aussi la question donc de, traitement de ce dossier, comme nous l'avons déjà souligné, mm-hmm, mm-hmm. il faut nécessairement, avec le temps, que vraiment ce dossier-là puisse être traité dans un délai euh, vraiment un peu acceptable. Mm-hmm. Pour que, puisque quand vous allez attendre six mois, ça fait déjà deux trimestres que vous attendez sans salaire, puisqu'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de revenus, et rester pendant six mois comme ça, je pense que même ces petites économies risquent de partir. Et surtout que chez les fonctionnaires, vous n'avez pas une indemnité de départ à la retraite comme chez les travailleurs salariés, où quand vous partez à la retraite, vous donnez un indemnité de départ à la retraite qui constitue un capital pour vous, peut-être même pour faire des, petits euh, des petits commerces. Mhm. Mais chez les fonctionnaires, ça n'existe pas. Vous donc vraiment, ça, c'est. Il y a énormément de choses qu'il faut dire, mais je pense qu'il y euh, aura peut-être une autre occasion, mhm. <laughs> parce que vraiment, je vous assure qu'il y a énormément de choses à dire. La mensualisation. Voilà, la, la, mensualisation, tout ça, on en a crié, mais il, même trimestriellement, il y a des difficultés à payer, à plus forte raison. oui. Puisqu'il a parlé, par exemple, de 19 000 pensionnés, voilà, et, peut-être ça fait, peut-être euh, la, la fois de là, on disait que presque 16 milliards de, l'année qu'il faut payer, ça, à, moins, à peu près 1 milliard 5 ou 1 milliard 8 chaque trimestre. Donc, si à la fin du trimestre, on n'a pas ouais. milliard 1,6 milliard, ça veut dire que c'est des problèmes. Donc, tout ça, je pense si on que. devait ramener ça à. Bah, et s'il faut mensualiser, Là aussi, c'est pour cela que la plus petite pension devrait être déterminée. S'il faut 6 000 francs pour payer, euh, je ne sais pas, par mois, 2 000 francs, moi, je vous assure que c'est ridicule. nous sommes un roman en retard, il faut le reconnaître, mais je pense que l'essentiel, on a commencé à faire le premier pas. Mm. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Il faut je sais que le gouvernement est en train de faire, mais nous devrons, nous, en tant que fonctionnaires, aussi donner, notre, donner en tout cas notre apport, puisqu'on a besoin de nouvelles cotisations, de rehausser le taux de nos cotisations, de revoir cela, créer un cadre, d'aller, comme l'a dit M. le DG, d'aller à 10%, pourquoi pas On a quand même prélevé, l'essentiel, c'est donner en tout cas une sorte de fourchette pour laquelle la personne est libre, en tout cas, d'engager son salaire. Après avoir déplafonné, bien sûr, Une sorte de retraite complémentaire. Voilà, donc tout cela, c'est important, parce que les vieux jours, là, après 60 ans, l'espérance de vie est variée entre 3 ans et 5 ans. <laughs> <laughs> Moussa Kassé, c'est vous, directeur général Kareni, vous concluez sur Oui, pour, moi, hein, pour euh, remédier vraiment à toute cette situation, c'est que la Kareni puisse réellement être opérationnelle et qu'elle prenne en compte l'ensemble de ces difficultés et qu'elle essaie de leur apporter des solutions le plus légèrement possible. Et qu'au niveau de l'État, que les ressources soient mises à notre disposition pour qu'on puisse s'occuper réellement des personnes du troisième âge qui ont servi avec loyauté et dignité leur pays. Voilà ce que j'ai à dire. Nous sommes arrivés donc au terme du forum de ce soir euh, sur la sécurité sociale, notamment la question des Pension des retraités qui doivent être prises en charge par la Carénie. Nous étions en compagnie de Moussa Seboukassé, directeur général de la Carénie, et Moutari Malam Idi, deuxième secrétaire général adjoint de la CDTN. Merci à vous d'avoir été des nôtres pendant ces 45 minutes. Bonsoir.